le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Messieurs, dames, bonsoir. Euh, on est vendredi 6 juillet 2018. Il est 18h15 au studio Kalangou. Chers auditeurs, euh, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Forum de la presse de Studio Kalangou. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous nous écoutez à travers euh, notre réseau dynamique de 34 radios partenaires sur l'ensemble du territoire national suivre le forum de la presse, un rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous évoquerons tout d'abord la rencontre lundi des chefs d'État du G5 Sahel avec le président français Emmanuel Macron à Nouakchott, en Mauritanie, en marge du sommet de l'Union africaine. Ensuite, nous partirons à Difa, où se déroule depuis mardi le jugement de 42 éléments présumés éléments de Boko Haram détenus dans différentes euh, prisons du Niger. Toujours à Difa, nous reviendrons sur l'attaque perpétrée contre le poste militaire de Blabrin dans le département de Ngingimi qui a occasionné la mort de six soldats ainsi que d'autres blessés. Il sera aussi question de l'an 1 de l'enlèvement des 39 femmes et enfants de Ngelewa à Niamey, nous évoquerons le procès des acteurs de la société civile arrêté le 25 mars pour manifestation interdite contre la loi de finances 2018, un procès reporté au 10 juillet prochain par le tribunal de grande instance de la ville de Niamey afin de s'imprégner du dossier. Et en sport, la Coupe du monde de football Russie 2018 avec le début aujourd'hui des quarts de finale avec la victoire des Bleus face à l'Uruguay. Pour analyser ces sujets, je suis avec mes confrères journalistes, M. Abba Hassan, journaliste et directeur de la radio alternative de Niamey. Bonsoir. Bonsoir. Gare Amadou, journaliste du quotidien La Nation. Bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Raylet Soumana. Messieurs, dames, bonsoir. Les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron se sont rencontrés lundi à Nouakchott, en Mauritanie, en marge du 31e sommet de l'Union africaine. Il a beaucoup été question de trouver une réponse efficace pour combattre les djihadistes qui ont encore frappé. Vendredi dernier, ils ont attaqué le quartier général de la force conjointe du G5 à Sévaré, au centre du Mali. Puis le dimanche, les terroristes ont visé un convoi de la force Barkhane au Mali. Donc, je vais commencer par vous, Monsieur Hassan. Vous êtes euh, directeur et journaliste de la radio alternative de Niamey. Comment expliquer ces offensives Existerait-il euh, des failles dans le dispositif euh, sécuritaire puisque le commandant de la force du G5 Sahel au Mali et son adjoint ont été relevés de leurs fonctions. C'est maintenant un officier supérieur tchadien qui prend le commandement de la force conjointe euh, G5 Sahel. Merci beaucoup. Euh, mm-hmm. euh, comme vous le dites, les décisions prises par le chef d'État laissent croire qu'il y a justement des failles. Je pense que le président mauritanien l'a dit sans embâche sur les antennes de certains médias en disant clairement qu'il y a des failles et qu'il fallait euh, revoir le dispositif. Donc là, non seulement ils vont revoir le dispositif, mais aussi comme des sanctions, puisque les responsables sont remplacés. Euh, mais ça pose aussi de façon globale euh, la question de la nature de, de l'ennemi qui forces ont en face d'elle. Euh, ce n'est pas un ennemi ordinaire, c'est des ennemis qui sont difficiles à saisir, qui sont parfois confondus au sein de la population civile, qui peut donc causer du mal à tout moment J'ose espérer que les changements qui sont intervenus dans la hiérarchie militaire puissent être la réponse euh, justement à ce qu'on a constaté, toutes les attaques qu'il y a eu au Mali. Mais euh, encore une fois, ça va être un combat de longue haleine. Euh, il faut tirer les leçons des échecs. Lorsqu'il y a nécessité de sanctions, il faut sanctionner. Parce que pour l'instant, en tout cas, nous payons un lourd tribut à ces conflits. Et donc je pense que si on peut toujours trouver des réponses euh, à travers les actions militaires, oui, mais à mon avis, il y a les actions militaires, mais aussi il faut qu'il y ait d'autres actions sur le terrain euh, parce que je ne pense pas qu'il y ait uniquement une réponse militaire à ce conflit. Mhm. Merci, M. Abba. Donc, euh, Garé, je me retourne vers vous. Selon vous, est-ce une nouvelle stratégie des djihadistes pour démoraliser les forces antiterroristes Non, on se rend compte quand même que les djihadistes sont de plus en plus audacieux. C'est-à-dire que, alors que se préparait l'ouverture du sommet de Nouakchott, ils décident de frapper pour que ça, en tout cas, ça reste dans les consciences. Et ils sont audacieux. Vous avez vu, attaquer le quartier général de, la force de G5 Sahel c'est d'une audace terrible. Et venir un convoi de Barkhane, avec les, troupes françaises, attaquer ce convoi-là, vraiment, ça, le coup médiatique, ils l'ont gagné. Ça, je vous l'assure que ça, les deux attaques-là font que, sur le plan médiatique, le plan de la communication, ils ont eu, en tout cas, un petit avantage effectivement, le fait qu'on ait relevé les deux officiers prouve qu'il y avait peut-être une erreur. Parce que, bon, il faut bien voir la réalité en face. L'armée malienne, parce que c'est un officier malien quand même qui dirigeait, bon, l'armée malienne, elle a fait pas le figure face aux, djihadistes, jusqu'à ce que le territoire du Mali soit occupé par, en tout cas presque la moitié, soit occupé par les djihadistes en, en 2011. Comment cette armée malienne, vous allez prendre un officier, qui pour moi c'est une armée 40, pour moi, ça me fait de la peine de le dire, hein. mais c'est une armée qui n'a pas de, qui, n'a plus de valeur. Donc prendre un officier, c'est vraiment. Mais pourquoi dites-vous cela une Non, mais c'est parce que sur le plan du terrain, de la combativité, l'armée malienne est devenue vraiment l'ombre d'elle-même depuis quelques années. Je ne sais pas, c'est dû à quoi Peut-être dû à l'embargo que la communauté internationale, l'embargo injuste que la communauté internationale lui impose. Je crois que l'embargo est actuellement en vigueur. On empêche à l'armée malienne de commander des armes. Pourquoi n'est-ce pas Et donc, euh, ça peut être affaiblir l'armée, mais en mettant un officier tchadien, on se rend compte que la force du J5 Sahel maintenant est dans une posture offensive. Parce que les Tchadiens, ils ne font pas de la dentelle. Hein. C'est pas, oui, oui, euh, on va attendre. Non, non, non. Les, Tchadiens, on les connaît pour leur combativité. D'ailleurs, au sein de la, du G5 Sahel, ce sont les deux armées, l'armée tchadienne et l'armée nigérienne qui, est reconnue, qui sont reconnues pour être vraiment des armées combatives. Peut-être que cette nomination là-bas permettent d'avoir un changement. Mais ne vous y trompez pas. Les terroristes vont toujours continuer à attaquer. Ils vont toujours chercher à commettre des attaques audacieuse pour que sur le plan médiatique, ils puissent en, tout cas gagner les bénéfices. Mm-hmm. Donc, euh, Issa Amadou, vous êtes journaliste à la radio-télévision Ténéré. Si les quartiers généraux commencent à être euh, la cible d'attaques terroristes, à quoi doivent s'attendre les populations sans protection Écoutez, moi je pense que cette attaque ne devrait pas surprendre du moment où on sait qu'au lendemain de la conférence au niveau de Bruxelles pour mobiliser les bailleurs en faveur du Sahel, les djihadistes ont déjà donné un signal fort en voulant attaquer les chefs d'état-major qui devraient se réunir à l'état-major Burkina Faso. Vous vous rappelez de cela, l'attaque de Ouagadougou, mhm. car ils ont en même temps attaqué l'ambassade de France. Ce n'était pas l'ambassade de France qui l'ambassade de France était un second plan, mhm. mais au départ, ils visaient la réunion des chefs d'état-major du G5 Sahel et les prendre en otage. Et vous savez, c'était un petit truc, on peut dire, c'est de la chance. Ils ont juste un peu reporté, décalé les heures et l'attaque a eu lieu. Donc, ce qui avait dire avec cette deuxième attaque, il y a une fuite au niveau des renseignements. Mhm. Ce qui veut dire que le renseignement est défaillant il faudrait vraiment mener des enquêtes pour trouver là où se trouve le problème. Parce que vous savez, ce qui s'est passé le vendredi passé, tout d'abord, j'étais à présenter nos condoléances aux familles des disparus et établissements et aux, blessés. C'est que il y a réellement quelque chose qui ne va pas au sein de la force 5 Sahel. Comme quoi, par exemple Par exemple, comment se fait-il que, à un moment, j'ai juste rappelé, c'était une petite pause, que même certains militaires ne savent pas que, ah, il y a quelques minutes de pause, de relèvement où les gens, parce que c'est l'heure, la journée de la prière, le vendredi, qu'il y a eu du pause. Donc c'est un temps mort, no man's land, euh, qu'on peut le comparer comme ça, euh, si on peut faire une figure, que les gens sont venus, sont rentrés juste dans le QG. Alors comment cela Même des militaires. Vous pouvez déposer la question à des militaires qui disent qu'il faut être un militaire aguerri pour comprendre cela. Le temps mort là, c'est pas, vous pouvez être sur place, mais sans le comprendre. Ça veut dire qu'ils sont surveillés Ils sont tellement Ils sont au cœur. Ces djihadistes sont au cœur de la prise de décision même, si vous, analysez un peu la situation. C'est pour cela même, quand on a nommé le Tchadien, moi, je ne m'attendais pas à un Tchadien. Je m'attendais plus à un Mauritanien parce que les Mauritaniens sont plus avancés que tous les autres quatre pays en matière de renseignement. Vous savez pourquoi la Mauritanie a, eu à limiter dès les premières attaques contre l'ambassade eh, d'Israël à New York et ils ont pu contrecarrer les attaques parce qu'ils ont un renseignement puissant, un renseignement qui se fait au-delà des frontières. Donc tout mouvement de troupes suspects, ils l'écrasent et ils ont les renseignements. Tous ceux qui sont ceux qui sont dans une posture de radicalisation et contrôlés jour et nuit, comme le fait dans les autres. Et il y a des moyens colossaux qui sont utilisés, qui sont mis à la disposition de l'armée pour faire ce travail. Je pensais qu'on allait faire le choix euh, d'un Mauritanien pour qu'on puisse nous aussi euh, faire, euh, prendre en exemple leur système de renseignement pour, que, euh, euh, pour protéger et faire une nouvelle approche par rapport à la lutte contre euh, le terrorisme. Deuxièmement, par rapport au sommet, moi je pense que voilà ce que les Américains sont en train de dire. nous, nous ne voulons pas financer. On va y revenir <laughs> par rapport au financement. <laughs> voilà, donc quant au financement des opérations, les États-Unis refusaient encore de financer les forces G5 Sahel, mais le président français Emmanuel Macron réaffirme le soutien de son pays. Donc, euh, Abba Hassan, euh, c'est à vous que je m'adresse. Quelle lecture faites-vous de ces différentes annonces Oui, je pense que c'est un des premiers défis que rencontre le G5, c'est celui de son financement. Il y avait déjà des annonces qui étaient faites pour une contribution des différents pays membres, mais surtout des pays qui ont plus de moins, notamment des pays européens, on a entendu par la suite d'autres pays comme ceux du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, qui devaient aussi contribuer pour le financement du, G5. Ça coûte cher, cette guerre, euh, surtout que personne ne sait combien de temps elle va durer, ça va prendre beaucoup de temps. On voit l'espace territorial qu'il faut couvrir avec le G5, c'est la Mauritanie, c'est le Mali, c'est le Tchad, le Niger, le Burkina. C'est vraiment euh, un espace euh, territorial très vaste euh, ça coûte cher en termes de renseignements, en termes de mouvement de personnes, en termes de, logistique. Euh, ça coûte cher la guerre. Et donc, il faut arriver à avoir les moyens. Alors, individuellement pris, je n'ai pas l'impression que les pays euh, du Tchad, le Tchad, le Burkina ou le Mali peuvent arriver à financer cette guerre. Si je reviens dans le cas de notre pays, on paye déjà un lourd tribut aux attaques qui se font le long de nos frontières avec le Nigeria, avec euh, le Mali. Alors une contribution en plus au G5, on voit un peu ce que ça coûte. Mhm. C'est pour ça que depuis euh, le début, les pays ont voulu aller euh, donner une connotation internationale, un cachet international au G5, afin de bénéficier d'abord d'un financement onusien. Mhm. Parce que dès le début, les pays ont voulu inscrire, comme on le dit, au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui fait de ce combat un combat des Nations Unies pour la paix, pour euh, la quiétude des populations, mais non pas encore réussi, parce que l'administration Trump, depuis qu'elle est là, euh, elle boude les Nations Unies. La plupart des actions qui sont faites sous le couvert des Nations Unies sont boudées les Américains qui sont un des premiers contributeurs. C'est aussi pour ça, en fait, que leur voix est prépondérante. Mm-hmm. Ils sont un des premiers barres de fonds des Nations Unies. Ils considèrent que ces guerres coûtent cher. Il y a déjà d'autres expériences à travers le monde qui n'ont pas nécessairement donné des résultats. Il y a déjà des actions qui sont engagées par l'amunissement au Mali, ailleurs sur le continent, comme en RDC. Et donc, pour les Américains, euh, euh, engager encore d'autres dépenses à travers les Nations Unies autour du G5, c'était peut-être un peu de trop. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas. Est-ce que les Français vont réussir à convaincre les Américains Je me pose la question. Mais de toutes les façons, à mon avis, il faut que les Africains puissent mutualiser leurs efforts Aujourd'hui, ce sont les pays du G5, mais c'est presque toute l'Afrique qui est concernée par la question de sécurité. Lors du sommet à Nouakchott, il était aussi question d'autres foyers de conflit. C'est le Soudan du Sud, c'est l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est euh, la question du Sahara occidental. Et donc, ça montre quelque part que sur le continent, on a énormément de foyers de conflit euh, le Sahel, c'est vrai aujourd'hui c'est le cas le plus bouillant, hein, c'est le cas le plus préoccupant, mais il y a tellement de foyers au point où, à mon avis, à travers l'Union africaine, il faut que les États euh, travaillent à mutualiser, peut-être monter une armée africaine qui peut essayer de se battre avec l'Union africaine, peut-être encore avec l'appui d'autres partenaires. Mais aussi longtemps euh, qu'on reste avec les financements de ces pays qui ont d'autres défis à régler. On parle beaucoup de famine aujourd'hui dans les pays du Sahel. Et donc, dans ce contexte, mobiliser suffisamment de ressources pour faire face à ces défis, je ne suis pas convaincu. Alors, est-ce qu'on va réussir Si on réussit, c'est tant mieux à mobiliser une force onusienne. Donc, euh, Garé, avez-vous quelque chose à dire par rapport euh, à ces financements Oui, il faut dire que moi, ce qui m'agace avec les Américains, c'est de considérer que euh, cette force du G5 Sahel, que la guerre que va mener la, la force du G5 Sahel contre le terrorisme est une guerre qui ne concerne que le Sahel. C'est-à-dire le fait de, de, faire comme si non, non, ça vous regarde, ça ne nous regarde pas. Ça, je trouve que c'est vraiment être, euh, vraiment avoir un esprit, un esprit niais. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment à la limite de l'insulte. Parce que le terrorisme, il y a des ramifications. En fait, c'est une même, c'est comme un groupe unique mais qui a des embranchements dans presque tous les pays ou sur tous les continents. Donc considérer que eh, lutter contre le terrorisme au Sahel, c'est une affaire du Sahel, que le Sahel doit gérer ça, ça c'est vraiment, je trouve que c'est insulter l'intelligence des Africains et, et, et, en tout cas de tous ceux qui ont le souci de faire en sorte que cette lutte contre le terrorisme soit efficace. Maintenant, on dit que les pays doivent, euh, ont promis de contribuer, les cinq pays ont promis de contribuer chacun 10 millions d'euros, 10 millions d'euros. Ça va faire 50 millions d'euros. Maintenant, le premier financement, les promesses de financement qu'on a eues, les chefs d'État ont dit que ce financement-là ne pourra permettre que de mener le combat pendant un an. Maintenant, il faut pérenniser. Donc, il faut, il faut, ait... oui, il faut augmenter des fonds. Il faut que euh, euh, vraiment les pays mettent la, main à la poche puisque c'est une lutte globale, c'est une lutte mondiale. Maintenant, les États-Unis refusent que euh, cette force du 5 Sahel soit en tout cas mise en œuvre sous le chapitre 7. Parce que vous savez que le, chapitre 7 des Nations Unies permet à cette force, comme l'a dit Abba, d'avoir des moyens onusiens, d'avoir en tout cas les moyens de faire le, combat. Maintenant, ils refusent. Alors le chef d'État a dit, bon, si vous refusez, au moins faites en sorte que cette force de l'amunissement qui est déjà au Mali, qui donne lui un caractère offensif, au moins. Faites en sorte que l'amunissement puisse être offensive et changer donc son, son, son, les textes qu'il a, qu a mettent en place. Il faut permettre aux, aux de amunissements de sortir de leur camp et de partir traquer les terroristes et les tuer. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que actuellement, qu'est-ce qu'ils font L'amunissement se borne à faire des patrouilles et, et, elle ne peut pas mener des attaques. Elle est dans son camp et les terroristes, vous avez vu, si vous comptez les attaques qui ont été faites, qui ont été en tout cas euh, commises contre les forces de l'amunissement, on ne les compte plus, jusque dans leur base. Vous Donc, il y a vraiment un changement à faire. Et il euh, la, volonté des cinq chefs d'État n'est pas n'est plus à démontrer. Mais la communauté internationale, on sent qu'elle n'est pas en train d'accompagner. Alors moi, je m'interroge. Mais est-ce que, ou bien ça arrange certaines personnes Ça, on ne le sait pas encore. Non, <laughs> attendez, c'est des questions qu'il faut se poser. Parce qu'on ne peut pas laisser des pays pauvres qui ont déjà leurs problèmes, qu'on a dit, à bah, qui sont en face à des problèmes d'abord d'autosuffisance de, de, de, alimentaire et d'autres défis sociaux, on ne peut pas laisser ces pays-là lutter contre des groupes terroristes tellement organisés qui ont assez d'armes et les laisser, les laisser comme ça, comme si ça, ne les concerne pas. Moi, je trouve que c'est clair. C'est vrai qu'on ne fait pas le poids. Euh, Issa, as-tu quelque chose à ajouter par rapport à cela avant de poursuivre ben, Écoutez, euh, vous savez, les États-Unis donnent chaque fois d'autres explications par rapport à cette force. Parce que quand vous écoutez un peu le président, c'est euh, euh, le, porte-parole du président ou le président lui-même, c'est une autre version. Si c'est le Pentagone qui en parle, c'est une autre version. Si c'est euh, le, secrétaire d'État, c'est une autre version. Mais tout de même, moi, je pense que c'est la France même qui est en train de jouer un faux jeu. Si vous, vous estimez que la volonté vous estimez que cette force va contribuer à stabiliser, à, aux efforts de développement. Pourquoi ne pas montrer la bonne voie aux États-Unis pour montrer le bien fondé d'avoir cette organisation et de financer au lieu de, lieu d'attendre chaque fois de dire que ils ont refusé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Abba a répété le, la vision des États-Unis depuis l'arrivée de Trump par rapport aux institutions onusiennes. Ils se sont retirés de plusieurs instances de l'UNESCO, tout récemment de, de, de, de, la structure chargée de, des droits humains. Voyez-vous, ils ont leur propre politique euh, à ça. Donc c'est à la France, moi je pense que c'est à la France aujourd'hui de, montrer et d'amener les autres à suivre le pas. Quand il y a, quand on prend l'Arabie Saoudite aux autres, moi je pense que l'Arabie Saoudite n'a pas été du tout, euh, n'a pas honoré ses engagements vers nos pays. Pourquoi? Quand l'Arabie saoudite a fait en sorte que nos pays puissent rompre avec le Qatar. Pourtant, le Qatar, l'appui du Qatar va plus de dix fois ce que l'Arabie saoudite octroie à notre pays. Mais maintenant, c'est quelques miettes selon, parce que moi j'appelle des miettes. Je m'attendais à ce que c'est plusieurs centaines de milliards qu'ils peuvent octroyer à nos pays parce que nos pays ont mis leur souveraineté en avant pour rompre avec leur Qatar. Parce que aujourd'hui, tous les pays, pendant le mois de Ramadan et l'approche de, de la Tabaski, nous savons tous quelle est la contribution, le poids de l'appui du Qatar, à travers Qatar Charity aux communautés. Mm. Et nous avons tourné le dos par rapport à ça. Et l'Arabie saoudite aujourd'hui, dans cette guerre qui nous est imposée, nous n'avons pas choisi cette insécurité. Nous ne connaissons pas cela. Mais c'est des forces extérieures qui sont venues. Mais aujourd'hui, l'Arabie saoudite nous tend des miettes pour dire qu'elle contribue. Non, je ne suis pas d'accord avec ce point. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, pour finir, Aïla, les États-Unis peut-être qu'ils peuvent avoir parce qu'ils disent que cette force n'est pas faite pour si les gens privilégient la guerre, eux, ils ne sont pas d'accord. C'est leur version la première des choses. Ils ont dit il faut faire le développement. Mais la France en train de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'amalgame la gestion de cette crise. Aujourd'hui, on y va du, terrorisme à des crises communautaires. Voyez-vous là où ça On ne va pas parler de crise communautaire. Donc, autre aspect de ce forum, il s'agit du procès des 42 éléments présumés de Boko Haram qui sont détenus dans les différentes prisons du Niger, sont jugés au tribunal de grande instance de la ville de Difa. À la date d'hier, 31 personnes sont passées à la barre avec 10 condamnés et 21 personnes libérées. Les auditions sont presque à terme avec 11 prévenus entendus aujourd'hui. Monsieur Abba Hassan, vous êtes journaliste euh, et directeur de la radio alternative de Niamey. Pourquoi ce procès a été délocalisé à Difa selon vous? Oui, je pense que euh, non seulement ça a été délocalisé, mais euh, les pouvoirs euh, judiciaires ont voulu qu'il y ait une forte participation de la population au débat. Je pense qu'ils ont voulu qu'il y ait une dimension pédagogique à travers ce procès. C'est quand même pas un procès ordinaire, c'est quand même un procès extrêmement difficile où certains représentants de la communauté locale se sont engagés à travers ces actes totalement répréhensibles et donc, le fait qu'il y ait ces procès, ça permet, je pense, de dire aux victimes qu'elles ne sont pas abandonnées, qu'il y a effectivement justice pour que les actes qui ont été posés soient sanctionnés euh, devant la loi. Mais aussi, je pense que c'est pour dire aux gens que lorsqu'on lorsqu'on enfreint les règles, un jour ou l'autre, on est appelé à payer. Il faut convaincre les gens qu'un jour ou l'autre, lorsqu'on enfreint les règles, euh, lorsqu'on est en conflit avec la loi, un jour ou l'autre, on est amené à le payer. Mais aussi, euh, je pense que ce procès, euh, c'est aussi un message pour toutes les personnes qui ont été engagées dans ce conflit, pour dire que lorsqu'on est innocent, on peut toujours faire prévaloir ses raisons et être libre de ses mouvements dans, son pays. Donc pour moi, c'est peut-être bien que ce procès ait lieu à fois puisque une bonne partie des victimes se retrouvent dans cette région. Mm-hmm. Le fait que les discussions, les débats s'effacent au niveau local, à mon avis, c'est quelque chose de bien. Mais aussi, de façon générale, je pense que euh, pendant, il y a quand même comme c'est le cas pour d'autres prévenus, des personnes qui sont restées très longtemps sans qu'il y ait effectivement euh, un jugement. Donc le fait que enfin le procès commence, pour moi, c'est quelque chose de bien. Euh, il y a probablement des personnes innocentes aussi qui ont été prises parce que en cas de conflit, vous avez aussi des choses comme ça qui arrivent. Et donc, je pense que les personnes innocentes peuvent enfin retrouver la liberté de leur le procès. Pour moi, c'est vraiment une bonne chose que le procès commence enfin. Merci Abba. Donc euh, l'Union européenne finance ce programme appelé Justice et Réconciliation. Garé, je me retourne vers vous. Pensez-vous que les gens de la région accepteront cette réconciliation tempéronnée mais, la région de Difa n'est pas une région belliqueuse. La population de Difa est une population de paix. Euh, Boko Haram fait des victimes au sein de la population de Difa. Il faut bien que le sache. pas à Niamey que Boko Haram frappe. Non, non, non. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de toucher la population. je pense que la population est déjà, déjà dans le processus de réinsertion des, repentis. Déjà, on, le connaît. Maintenant, dans le processus de jugement, aussi, la population participe parce qu'il y a des familles qui ont été blessées, dont les enfants ont été tués ou dont les parents, en tout cas des membres de la famille, ont été tués par des attentats kamikazes ou des, actes de Boko Haram. Mm-hmm. Donc, ils aimeraient quand même que ceux qui ont commis cela, euh, ou ceux qui sont soumis d'avoir commis cela, puissent payer. Et on l'a bien vu que euh, euh, certains ont été victimes pratiquement de la délation et du mensonge, euh, ils ont été arrêtés parce que, euh, pour des raisons euh, vraiment, c'est-à-dire que quelqu'un de leur ne te plaît pas et puis tu pars au niveau des, et puis tu dis oui, c'est un élément de Boko Haram, je l'ai vu avec des éléments, alors que c'est faux. On se rend compte que des, personnes ont été libérées, ça veut dire qu'elles ont été forcément accusées. Et donc, ces personnes-là qui ont passé beaucoup de temps en prison, je pense que la première chose à faire, avant de les réinsérer, il faut d'abord les dédommager parce qu'elles ont été arrêtées pour des, en tout cas, ça prouve qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas, elles n'ont pas de lien avec Boko Haram. Donc d'abord, il faut les dédommager. Deuxième chose, maintenant, euh, euh, ceux qu'on a condamnés, même ceux qu'on a condamnés, n'est-ce pas, il faut qu'on arrive à un moment où on va mettre en place leur processus de réinsertion. Il ne s'agit pas de les condamner, qu'ils purgent leur peine et puis qu'on les laisse partir de la nature. Non. Il faut trouver un, moyen quand même de les réconcilier, en tout cas de les réinsérer dans le tissu social. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, la population de, de, elle est aujourd'hui, euh, en tout cas, heureuse parce que quand on voit ce qui s'est passé au début du conflit et qu'on voit la situation aujourd'hui au niveau de l'IFA, on se rend compte que le progrès a été réalisé et que la population est, vraiment consciente que cette paix-là, il faut la préserver. Des appels ont été lancés mhm. à des fils du terroir qui sont partis rejoindre Boko Haram pour qu'ils reviennent. Donc, et certains sont revenus, d'autres ne sont pas encore revenus et j'espère qu'ils vont revenir. Franchement, ce jugement-là, euh, c'est une bonne chose parce que ça permet de vraiment de, décanter, de savoir entre toutes les personnes qui sont arrêtées, quelles sont réellement celles qui sont coupables et quelles sont celles qui sont innocentes. Merci Garé de la Nation, Issa de Radio-Télévision Ténéré. Quel regard aura la population de DIFA face aux personnes libérées et comment ces personnes libérées vont-elles pouvoir réintégrer la société Votre avis question très difficile, <laughs> <laughs> Parce que vous savez, quand les euh, dans une situation de conflit, et penser les blessures, surtout, euh, c'est très compliqué. C'est très dur pour la communauté de vivre cela. Vous savez, ce n'est pas une guerre conventionnelle. C'était une guerre que est venue comme ça. Ces populations menaient une vie paisible, vaquaient à leur occupation. Et un beau jour, une forme de guerre que ils les voient seulement peut-être à la télé. Mhm. Et ces gens aujourd'hui euh, ont perdu tout. Euh, je peux parler sous le contrôle de Abba. Euh, voyez-vous, il y a certaines pratiques que les gens ne connaissent pas. Par exemple, la mendicité comme ça à grande échelle. Les gens ne connaissent pas ça. Mais aujourd'hui, à cause de la guerre, des gens ont abandonné tout. Des gens qui étaient fiers, qui vivaient de l'agriculture, de la pêche. Il faut dire qu'il ne reste pas grand-chose à abandonner. Oui, effectivement, ce n'est pas facile aujourd'hui. Il faut aussi des efforts, vraiment. Il faut une volonté réelle pour amener les gens à retrouver leur vie. C'est ça le relèvement. C'est pour cela, dans un conflit, tant que le système dans la résolution du conflit, tant que le système de l'eau, le programme de relèvement n'est pas consistant, ça reste, ça reste du chemin à faire. Aujourd'hui, ces gens qui ont été libérés, beaucoup, peut-être, on l'avait dit, il y a beaucoup de, structures qui l'ont dit au départ, beaucoup de gens ont été arrêtés sur des dénonciations vraiment calomnieuses, si on peut mhm. le dire comme ça. Ils ont été arrêtés euh, sans la moindre preuve. Et aujourd'hui, voyez-vous, c'est des gens qu'il faut accompagner parce que eux-mêmes ils sont radicalisés, ils sont extrémistes par mm. rapport à le traitement qui a été réservé. Vous qui avez été arrêté ou vu de tous pour un acte que vous n'avez jamais commis, eh, aujourd'hui, quel est le sentiment que vous allez avoir d'abord de l'État d'abord qui vous a fait subir mm-hmm. cela et des gens qui vous ont dénoncé? aujourd'hui. C'est tout, c'est donc c'est un ensemble de problèmes qu'il faut essayer de de, de, résoudre en même temps. Je pense qu'il faut mettre la population à contribution. Et surtout, c'est quoi Nous avons déjà cette hiérarchisation de la société. Nous avons les chefs, les leaders, euh, le chef coutumiers, les leaders religieux. Il faut les, associations de femmes, les associations des jeunes. Il faut mettre tout, le monde, À, à contribution pour pouvoir aller dans cette direction. Parce que jusque-là, Difa, n'est pas encore fini. Hein. Parce que quand vous faites un tour, tous ceux qui ont fait un tour euh, en début d'année jusqu'à maintenant par rapport à Good les gens ont la hantise, ils vivent la hantise par rapport au camp de repenti parce qu'à chaque fois quand il y a des attaques, les populations vous témoignent que ces mêmes gens qui disent qu'ils sont des repentis montent sur les toits pour crier Allah Akbar. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont toujours cette hantise de ces gens-là. Hmm. Donc, voyez-vous, il y a des efforts à consentir et il, faut mettre à, contribution. Moi, j'insiste là-dessus prenez l'avis. Il ne faut pas leur parachuter des programmes de communauté. Il faut recueillir leur avis. Comment vous voyez cela Quelles sont vos inquiétudes par, par rapport à, ce programme Selon vous, comment nous pouvons parvenir à réussir C'est un ensemble de ça A été fait, on ne le sait pas encore. Non, non, non, je, euh, si, on va pas faire le on va poursuivre, on, va poursuivre, toujours, euh, <laughs> on va rester à DIFA cette fois-ci. Voilà, on va toujours rester à Difa. Dimanche, les soldats tués à Blabrim ont été enterrés en Gingimi. Le porte-parole de l'armée cité par l'AFP avait parlé de 10 morts et 4 porté disparu. Et depuis mardi, le bilan a été revu à la baisse. Euh, Monsieur Abba Hassan, journaliste à la radio alternative, comment expliquez-vous cette différence Bon, sur les chiffres, il y a souvent des différences hein. euh, mhm. dans les conflits. En fonction de qui donne la version, il y a souvent des, différences. C'est des chiffres. Euh, euh, lorsque euh, l'armée donne les chiffres et lorsque les assaillants donnent les chiffres, les chiffres ne sont pas les mêmes. Mais le fait que les chiffres soient revus à la hausse ou à la baisse, c'est mhm. parfois aussi lié euh, à la qualité des informations qui parviennent au niveau de ceux qui communiquent, notamment les états-majors. Mhm. Parfois, vous avez des personnes disparues qu'on peut retrouver, parfois, vous avez des blessés qui, qui, finissent par mourir de leurs blessures, et donc, évidemment, ça change les, les chiffres. Mais au-delà des chiffres, je pense que cette attaque montre encore que, quoi qu'on en dise, l'ennemi est toujours là. Euh, au début, à un moment, on a pensé que, au vu des actions qui ont été menées, n'oublions pas que dans cette région, on a quand même la présence de l'armée, des quatre armées pendant longtemps qui patrouillaient ensemble, euh, le Tchad, le, le, Nigeria, le Niger, le Cameroun. Il y a eu quand même des choses. On a connu l'arrivée de l'armée tchadienne, dont le passage a été euh, n'est pas passé inaperçu. Il y a eu toutes ces actions, mais euh, les actions récentes de Boko Haram montrent que l'ennemi est toujours là. Peut-être qu'il s'est réorganisé, on n'en sait rien. Mm-hmm. À un moment, on disait qu'ils sont affaiblis parce qu'il y avait comme une sorte de de conflits internes avec des, des ailes autour de Barnawi, autour de Cheka, on a entendu beaucoup de choses. Mais euh, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont encore là, ils peuvent encore faire mal. Et à Difa, il y a toujours la psychose. Euh, lorsque vous discutez avec certaines personnes, elles sont toujours tentées de déplacer leur famille loin des Difa, notamment ceux qui travaillent à Difa. Et donc, vous avez toujours cette psychose, cette peur. Les gens vivent euh, dans cette peur à Difa. Donc, euh, peut-être qu'on en a un peu de chance de vivre à Niamey, loin de là, mais en tout cas, ceux qui vivent à Difa, c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. On va encore rester à Difa. Donc, 2 juillet 2017, 2 juillet 2018, cela faisait un an, le lundi dernier, que les 39 femmes et enfants de Ngelewa ont été enlevés. Cet acte a été attribué à Boko Haram. Jusqu'à ce jour, ces personnes n'ont pas été retrouvées, mais selon le maire de la commune de Kablewa, Certains échos laissent croire que la grande majorité de ces femmes et enfants seraient encore en vie et qu'un jour ils seront libérés. Garé, selon vous, faut-il vraiment croire euh, que ces otages sont encore vivants oui, d'abord, moi je pense qu'ils sont vivants, euh, C'est-à-dire que Boko Haram ne les a pas levés pour rien. Vous savez qu'il y a des éléments de Boko Haram qui sont détenus dans les prisons nigériennes. Mhm. Boko Haram a l'habitude d'opérer comme ça pour, que, cela serve de monnaie d'échange au moins opportun. Ils vont demander à ceux qu'on libère certains de leurs combattants et puis qu'on libère les femmes de Ngalewa. Mais pour moi, je pense que l'État du Niger peut négocier pour qu'on libère ces dames-là. On peut, on peut libérer des éléments de Boko Haram qu'ils partent là-bas se faire, se, se, se faire C'est pas notre problème, ça. Je pense que pour sauver ces, 39 femmes et enfants, on peut négocier avec, avec, avec ceux qui vous disent que non, non on ne négocie pas avec les terroristes, c'est parce que ce ne sont pas leurs parents et leurs parents ne se trouvent pas dans ce groupe-là. Non, mais il faut être, il faut être sérieux. Moi, moi, je suis d'accord parce que je mets à la place des, des, des gens qui. Les familles des victimes. Mais oui, les familles des victimes. Je veux que l'État puisse négocier pour qu'on puisse libérer quelques éléments de Boko Haram en échange de ces femmes-là. Parce que pour moi, c'est le plus important. Donc, si on continue sur la voie militaire, on risque de mettre en péril la vie de ces femmes et de ces enfants. Il faut être clair là-dessus. Donc, donc j'ai dit et je le répète, pour moi, à cet anniversaire-là, je lance un appel pour qu'on puisse, euh, euh, en tout cas, euh, entrer en contact avec des éléments de, Boko Haram, surtout. On ne sait même pas quelle branche les détient. Parce que la branche de Barnawi, elle est plutôt une branche un peu un peu plus docile parce que eux ils ne font pas d'attentats kamikazes la, la, branche de Barnawi Barnawi c'est le c'est le fils de, Mohamed Youssef le fondateur de Boko Haram donc lui il, il, il, est contre les attentats dans les mosquées il est contre les attentats contre les civils il est contre les attentats kamikazes en tout cas dans les, dans lieux publics non lui il est contre et c'est ça sa mésentente avec euh, le barbare à Haram. lui qui fait, qui, qui n'a pas qui ne fait pas de, de, de quartier donc si on, si on, arrive à déceler que c'est les éléments de, Le plus probable, c'est que c'est les éléments de Chicago qui les détiennent. On ne le sait pas. Vraiment, non, c'est fort probable parce que je pense qu'il faut trouver. Les, le Nigeria l'a fin. Hein. Les autorités nigérianes ont négocié à un moment avec, avec le Boko Haram et on a pu libérer des, prisonniers qui étaient détenus par Boko Haram. Le Niger peut le faire. Il ne faut pas qu'on ait honte de négocier ça. On verra bien. Donc, euh, Issa, à vous, euh, y a-t-il encore de l'espoir euh, pour les retrouver selon vous Dès le lendemain de leur rapt, moi je pense qu'il y avait de l'espoir, mais c'est que nous n'avons pas fait d'action. Nous nous sommes contentés seulement à dire Ah oui, c'est ignoble, c'est vraiment déplorable. Comment est-ce que vous pouvez affirmer cela qu'on ben, n'a ben, pas fait d'action quelle est l'action Un an. Imaginez-vous la douleur de toutes ces familles c'est ces petits-enfants qui, attendent sans, sans espoir le retour de leur maman. Ces maris qui attendent leur euh, leur femme. Ces mères qui attendent leurs enfants. Vous pouvez imaginer leur douleur. Ça fait un an, même si c'est une semaine, un an, douze mois. 365 jours sans nouvelles, c'est quand même. Et, et, c'est qu'il y a une complicité aujourd'hui, nous tous, la nation nigérienne. Parce que ce silence coupable, pas vraiment, euh, ne reflète pas notre réalité, nos valeurs culturelles. Nous devrons avoir dès le lendemain une mobilisation. Vous avez vu aujourd'hui une organisation de défense des droits des enfants ou une association de femmes qui a battu le pavé pour, pour vraiment booster, qu'il y ait amené. Il n'y en a pas. Mais si c'était des quotas, ils allaient le faire. Espérons Mais pour finir, pour finir actions je veux accompagner pour, donner, illustrer ce que Gary a dit, les négociations. Oh, on, on est oui, par oui. il y avait eu après Chibok. Oui, après Chibok, juste pour ajouter, après Chibok, il y avait eu Dapchi, où des filles ont été enlevées au Nigeria. Vous savez que le Nigeria a négocié avec ces terroristes pour libérer, parce qu'ils savent que Buhari était conscient que maintenant ce deuxième rapt-là allait avoir une conséquence sur sa, sur sa réélection. Alors ils ont négocié. Donc il faut trouver, toutes les voies sont euh, exploitables pour trouver une solution. Espérons qu'on les retrouvera. Vous êtes à l'écoute du studio Kalangou. Le forum de la presse continue. Autre affaire judiciaire, c'est le procès des acteurs de la société civile arrêté le 25 mars 2018 pour manifestation interdite contre certaines dispositions de la loi des finances 2018. Prévu se tenir initialement pour le 3 juillet dernier à Niamey, le tribunal de grande instance a repoussé jusqu'au 10 juillet prochain le procès. La ville de Niamey a demandé le report du procès pour s'imprégner du dossier. Donc, M. Euh, Monsieur Abba Hassan, que pensez-vous de la raison avancée pour euh, reporter le procès je ne suis pas, je ne suis pas juriste. Peut-être que la raison est valable, mm-hmm. mais euh, le constat, c'est que tous ceux qui se sont déplacés au, palais de justice le 3 juillet on constaté qu'apparemment, les principaux acteurs, le président du tribunal, le procureur, les avocats ainsi que les publics étaient tous au même niveau d'information. C'est-à-dire que les changements qui devaient aboutir au report n'étaient peut-être pas connus déjà, puisque on attendait tous de voir les prévenus devant le tribunal. Euh, tout le monde était là. Et c'est finalement, au fil du temps, qu'on s'est rendu compte que ces prévenus ne seraient pas là les questions euh, posées par les avocats laissent croire que le procureur lui-même ne savait pas pourquoi les détenus n'étaient pas euh, au palais de justice ce jour-là. Par rapport à cela, il y a un son des avocats que nous allons écouter ce matin, à notre grande surprise, lorsque nous sommes arrivés à l'audience, de constater l'absence de nos clients. Naturellement, le président du tribunal avait posé la question au ministère public pour quelles raisons les prévenus n'avaient pas été extraits. Le ministère public a répondu qu'il n'a pas de réponse. Nous avons alors interpellé le bâtonnier de l'ordre des avocats de constater de lui-même le dysfonctionnement de la justice, mais dysfonctionnement inadmissible dans un état de droit. Lorsque nous avons insisté il nous a été répondu, je cite, Ils n'ont pas été extraits parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas dire ici. Mais alors, quelle est cette vérité qu'on ne peut pas dire dans un prétoire Et nous disons, nous allons nous battre pour que force revienne à la loi. Voilà, c'était Maître Daouda Samna, membre du Conseil des avocats des acteurs de la société civile par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Les avocats ont communiqué par la suite. Ils ont aussi exprimé leur surprise de voir que les prévenus n'étaient pas justement devant les juges ce jour-là. Euh, ni eux, ni les procureurs, presque personne n'avait la réponse, personne ne le savait. Donc, on peut comprendre que les publics ne soient pas informés. Mais euh, quelqu'un a fixé une date pour dire que le procès aura lieu à tel jour. Il doit créer toutes les conditions pour que les prévenus soient là et qu'ils puissent répondre devant, devant les juges. Alors, si on arrive, si on n'a même pas la réponse de pourquoi ces gens ne sont pas là, bon, c'est une question, c'est quelque chose de, de, totalement surprenant pour nous. Et là, la communication des avocats laisse croire que c'est quelque chose d'inédit et euh, conclut que c'est un dysfonctionnement de notre système judiciaire. Donc, il n'y a pas mieux qu'eux-mêmes pour porter un jugement sur cette affaire-là. Merci, Abba. Donc, Garé selon vous, les arguments des avocats défenseurs sont-ils fondés Oui, mais écoutez, euh, on ne peut qu'être d'accord avec les avocats. Quand vous arrivez le jour du jugement et que vos clients ne sont pas là, <laughs> Enfin, <laughs> c'est une surprise. C'est un dysfonctionnement qu'il faut vraiment euh, condamner. Et je pense qu'il ne faut pas que ça se répète. C'est-à-dire que le procès a été reporté le 10 juillet il faut que le DG, les prévenus, puissent comparaître mhm. aux côtés de leurs avocats. Il ne faut pas que le dysfonctionnement qu'on a constaté, parce que c'est un dysfonctionnement grave. Parce que toute la communauté internationale est en train de regarder ce procès-là. On ne devait pas euh, euh, offrir ce spectacle pitoyable de, où, les magistrats ne savent pas pourquoi les, prévenus ne sont pas là. Je suis d'accord avec Abba. Ceux qui, euh, en tout cas, si le procès a été programmé, ceux qui l'ont programmé doivent faire en sorte que les, prévenus puissent être là. Donc j'espère que le 10 juillet, on n'assistera pas à ce triste spectacle auquel on a assisté le 3. Ok, Issa, les arguments des avocats défenseurs sont-ils fondés selon vous bon, Brièvement, il y a le sport. Comme c'est une affaire de justice, il faut pas, comme on n'est pas spécialiste, nous attendons le, le DG pour voir si les conditions seront réunies pour que ces gens puissent avoir un procès équitable. C'est ça, il faut, parce qu'il faut pas anticiper sur les choses. Moi, je pense qu'ils ont le plein droit d'avoir des procès équitables. Donc, ils devront, on devrait créer les conditions pour que ces gens puissent être là, mhm. avec leur, accompagnés de leur avocat et se présenter devant le juge et que ce procès puisse se dérouler dans le respect des normes. Parce que nous sommes dans un état de droit, il faut que le droit soit dit. Bah, il ne faut pas faire en sorte que ce que les gens sont en train de dire, ça, ça se passe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé le 2 juillet dernier, c'est que l'inquiétude soulevée par un certain nombre d'acteurs et les, organisateurs du procès sont en train de donner raison. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des inquiétudes. Et dans un état de droit, un dysfonctionnement eh, de l'appareil judiciaire, eh, euh, n'est pas pardonnable. Merci Issa. Donc euh, parlons sport à présent avec euh, les quarts de finale de la Coupe du Monde de football qui ont débuté cet après-midi avec les huit équipes restantes qualifiées. La France vient d'éliminer l'Uruguay et le Brésil euh, affronte la Belgique tout à l'heure. Demain samedi, la Suède défiera l'Angleterre et la Russie, pays hôte, tentera d'éliminer la Croatie. Abba Hassan, <laughs> journaliste à la radio alternative, quels sont vos commentaires sur les deux matchs d'aujourd'hui et vos pronostics qu'à à ce niveau de compétition les quarts de finale Bon, je pense que peut-être qu'il y aura encore des surprises. Hein. Il y a eu déjà beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde. Euh, on est habitué à voir les Allemands dans le dernier carré. On voit que les Allemands ne sont pas allés loin. Euh, les Brésiliens et les Français tiennent encore. Les Français sont déjà qualifiés. Là, mhm. Euh, le rappellent eux-mêmes que la dernière fois qu'ils sont qualifiés à ce niveau, ça fait quand même très longtemps. Et donc, euh, ça veut dire qu'il y a peut-être une génération qui aujourd'hui prête à remplacer Zidane et, les autres qui ont déjà fait sourire les Français en 1998 en gagnant la Coupe. Mhm. Alors, euh, les, les risques, euh, c'est aussi notre surprise pour moi. Euh, J'ai suivi quelques commentaires à travers les médias ou des supporters russes eux-mêmes se demandaient si leur équipe peut passer déjà le premier tour. Alors, avec beaucoup de surprises. La surprise. Euh, la surprise, les risques sont à ce niveau et ça montre, euh, il prolonge en fait une tradition qu'on a déjà vue avec les pays organisateurs qui arrivent à aller loin de lors que qui organisent. On l'a vu avec l'Allemagne qui a pris la coupe quand elle a organisé chez elle. Euh, les Français ont pris la coupe. Hein. Donc, euh, peut-être que les Russes vont encore euh, nous poser beaucoup de surprises. En tout cas, pour l'instant, nous, on savoure les victoires et on <laughs> espère, on souhaite que les meilleurs gagnent. <laughs> vos pronostics. Euh, bon, l'équipe, l'équipe russe est une équipe assez, assez nulle quand même, il faut le dire, hein, parce que d'abord, les Russes savent qu'elle est nulle eux-mêmes ils savent qu'ils sont nuls. Je me rappelle d'un commentaire qui a été fait par un des, en tout cas, chroniqueurs de Canal Plus qui disait, ah oui, les Russes, pendant tout le match, ils ont beaucoup couru parce que c'est ça qu'ils savent faire. Mais côté qualité de jeu, c'est vraiment de la platitude. Il n'y a rien. ils n'iront pas loin. Hein. Il ne faut pas se faire des illusions. Parce que les supporters. <laughs> non, mais, non, mais enfin. Non, ils sont en quart de finale, c'est vrai, c'est très bien. Mais bon, euh, maintenant, c'est la raison qui va. En tout cas, c'est les équipes, pour moi, il n'y aura pas de surprise. C'est-à-dire que les équipes qui sont les plus cotées vont pas. Non, mais on a vu la victoire de la France. C'est vrai, Cavani n'a pas joué. On dit que l'Urigo est sans Cavani. On, voit bien que c'est rien du tout. Euh, mais on, se rend compte qu'aujourd'hui, cette fois-ci, ce sont les équipes les plus cotées qui vont. La France va aller loin. Pour moi, euh, euh, le Brésil, je le sens pas du tout. Hein. <laughs> Avec le malicieux de Neymar sur le terrain qui fait. Pour moi, le Brésil va être éliminé. Pour moi. Donc la Croatie va aller loin parce que c'est une très bonne équipe. Donc je pense que là, on est c'est le réalisme qui va prévaloir. Les nuls vont être écartés et les bons vont partir. <laughs> ok, Issa, votre pronostic Je pense qu'est-ce que je peux ajouter de plus Parce que vous savez, c'est ça, c'est une compétition. Il y aura toujours des surprises. Il y a des pays sur euh, lesquels on comptait qui sont classés comme des favoris mais qui sont éliminés à la grande surprise. C'est le jeu comme ça. Donc euh, je pense que j'ai vu aujourd'hui un match de bonne facture entre euh, l'Uruguay et la France. C'est pour Didier Deschamps ou bien c'est le coach euh, français. Je l'ai jamais aimé euh, du, parce que <laughs> avec ses, choix de, sélection. Mais aujourd'hui, j'ai vu un coach qui, je ne savais pas qu'il était si intelligent. Aujourd'hui, il a joué avec un système très efficace face aux Uruguayens parce qu'il sait que avec l'équipe de l'Uruguay, tout le monde attaque, tout le monde défend. Donc, il a fait un 4-5-1. C'est-à-dire, c'était très intelligent de sa part et ça a payé. Ça fait en sorte que son équipe a gagné face à euh, l'Uruguay de Tavares, un vieux à qui on rend un hommage qui vraiment qui a donné sa vie à la Céleste, qui a formé des grands joueurs aujourd'hui qui font la fierté de leur pays. Bon, nous Apparemment, cette Coupe du Monde nous réservera ah, encore de des surprises. Hein, il faut voilà. attendre. Euh, <laughs> Ainsi, de, la compétition entre le Japon et la Belgique. Je pense que euh, il faut, faut attendre encore. Voilà, c'est la fin de ce forum de la presse de ce vendredi 6 juillet 2018. Euh, j'étais avec euh, Abba Hassan, journaliste et directeur de la radio alternative de Niamey. Gare Amadou, journaliste du quotidien La Nation, Issa Amadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h15 avec Rekia Arimi et Chatou Amadou pour les forums en Hausa et en Zarma sur les femmes nigériennes dans la gouvernance démocratique. Bonne soirée à vous, chers.